amis de la Fada, bonsoir et bienvenue. Amina fada da fatan ku ni lafiya. Barka ku da shugawa wannan shirin namu na matasa mai farin jini da studio Kalangu ke gabatar muku Koonek ce soir nous sommes installés au cœur de Niamey au palais du 29 juillet à l'occasion du salon de l'artisanat pour la femme Safema un événement vibrant qui célèbre les talents et les réussites des femmes entrepreneurs dans un contexte où le chômage des jeunes est un défi majeur l'entrepreneuriat apparaît comme une solution prometteuse cependant l'une des clés du succès entrepreneurial réside dans la capacité des jeunes femmes à surmonter des défis uniques qu'elles rencontrent ces femmes sont souvent sous-estimées, mais pourtant ont un potentiel énorme pour stimuler l'économie locale et créer des emplois. C'est pourquoi nous avons choisi pour thème ce soir les jeunes femmes face à l'entrepreneuriat, comment elles sont sortent. Pour en parler ce soir, nous sommes accompagnés de plusieurs dames au FONAF au palais du 29G. On va les laisser se présenter d'elles-mêmes. Bonsoir. Moi, c'est Alice Abo Zainabou. Je suis euh, ingénieure agronome de formation et associée euh, de l'entreprise euh, Zuma. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Mi malama. Et kuna tare malama Masouda Jahar Sanda. Euh, chef d'entreprise ta Madame Bio. Ta kusa da ku. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sunana Madame Ibrahim Azima, promotrice du groupe INES. Je suis dans la transformation des produits céréales et épices vais passer le micro à côté. Bonsoir. Bonsoir. Ansou, Anoula. Moi, je suis euh, Madame euh, Lalou Sano Je suis du Burkina Faso. Je viens de la ville de Ouagadougou. Je suis transformatrice euh, de produits de carité à base de beurre de karité et dérivés. Et nous sommes là dans le cadre du SAFEM avec une forte délégation du Burkina Faso, notamment des femmes artisanes qui sont là. Merci bien. Merci bien. Bonsoir, madame. Bonsoir. Moi, je suis Konate Latifat. Je suis au Centre national d'artisanat d'art, CNFA BGO. Je suis artiste teinturière et brodeuse. Voilà. Je suis venue avec euh, beaucoup, beaucoup de produits divers concernant la broderie, la teinture, la couture et les accessoires. Tout ce qui est fait à la main. Voilà. Enchantée, merci, bien. D'accord. Bonjour. Euh, donc moi c'est Madame Kader Slamoutoubarmou. Je suis euh, analyste au FONAP, le Fonds national d'appui aux petites et moyennes entreprises. Merci bien. Enchantée. Bonsoir Madame. Bonsoir. Ça va très bien. Ici c'est Rachel Djargui Dodan. Je suis togolaise et je suis la directrice générale de l'entreprise Adar Togo qui est spécialisée dans tout ce qui concerne la valorisation euh, des tenues prêtes à porter et accessoires de mode artisanal. Et je suis licenciée aussi en droit. Merci bien. À la présentation, c'est Marie-Made, À la technique, c'est Abdelkader Chambiano. La FADA, comme vous le savez, en mi-jeune, accompagne d'une rubrique rose, de la musique, une chronique. Tout ceci en 35 minutes chrono. A mi la FADA se passe à Niamey au palais du 29 juillet. Une des armes parce que kasuwanci ga mata. Et on va commencer avec euh, Masouda. Muna so Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans l'entrepreneuriat? eh to eh, da farko maryam zan ce abin da ya ja hankali na na shiga kasuwanci kasuwanci na ya ɗauko tushe ne tun ina karaman yarinya irin ina ekol haka ina kai da zamis girl haka ina sai da ma abokaina kuma daga baya je grandi avec lude d'entreprendre to kun ji a takaice abin da ya ja hankali na na shiga harkan kasuwanci Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans l'entrepreneuriat D'abord par passion, oui. par plaisir et par désir d'avoir une indépendance financière. Et vous savez, de nos jours, il n'est pas très évident que tout le monde soit fonctionnaire de l'État. Il ne faudrait pas toujours attendre que l'État fasse pour nous. C'est aussi une manière pour nous femmes, pour moi personnellement, d'apporter ma contribution au développement de mon pays et de l'Afrique, pourquoi pas du monde entier. Merci bien pour la réponse. Vu que tu es très jeune, <laughs> on aimerait savoir qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans l'entrepreneuriat. Euh, bon, comme euh, elles ont très bien détaillé, vraiment, je pense que c'est très clair. On est toutes euh, motivées de la même manière. C'est quasiment les mêmes, les mêmes volontés. Enfin, moi, je dirais c'est plus le modèle parce que j'ai vu ma mère faire toute sa vie et je me suis dit, il faut que je continue. Donc, savoir, toi, tu fais quoi voilà, en fait, l'entreprise Zuma, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la transformation de produits euh, agricoles. Donc, on a un site euh, qu'on exploite. Je disais précédemment que j'étais ingénieur agronome. Je me suis dit, bon, au lieu de rester là, enfin, j'ai déjà fini, autant mettre en valeur tout ce que j'ai appris, vous voyez. Donc, euh, on a un site qu'on exploite sur la route de Hamdallah. Donc, on a un côté culture céréalière donc nos céréales qu'on a, euh, l'un des céréales qu'on met le plus en valeur, c'est le sésame. Le sésame, on le transforme aujourd'hui en huile et en savon. À côté, on a une euh, unité de production laitière. On produit du lait de chamel et du lait de vache. Le lait de vache, vous pouvez le trouver sous forme de produits euh, tels que les yaourts ou le wagasi, du fromage frais. Voilà. moi, en fait, mon aventure, comme je disais, elle a commencé à l'université. On était à l'université, j'ai fait l'université islamique euh, de Niamey. J'ai amené quelques produits euh, juste pour moi, hein, pour le plaisir, enfin ce que ma mère faisait et puis mes amis me disaient, enfin c'est trop bon, pourquoi tu ne fais pas pour amener, pourquoi tu nous fais pas goûter plus souvent Et c'est de là que j'ai euh, mis en place un point de vente. Grâce, voilà, il y a un club des jeunes entrepreneurs aujourd'hui à l'université islamique, ils m'ont beaucoup aidé, donc tous ensemble vraiment, on a bâti quelque chose de solide. Merci. shiryawa inda zamu ba 'yan matan studio Kalangu waje don gabatar mana da rubric Rose in taso. Merci bien. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Dans la rubrique rose de ce soir, nous allons découvrir la recette d'un plat traditionnel rempli de vertus. Un plat à base de balanites très conseillé dans cette période de froid. Sa Muhammad, une sexagénaire originaire de l'Arewa, nous livre tous les secrets de la préparation aux vertus. On l'écoute. kuma abin da duk kuka sa ana ya gadari kuma saboda kariyar lahiyar jikin mutum da kuma abin mura lokacin nan to sai an je an nemo ta aduwa an a nemo mai kyau wadda ta nuna da yawa za a nemo ta ba kaɗan ba sai a zo sai a ɓare ta idan aka ɓare ta aka gyara ta ta yi kyau kuma sai a jiƙa ta a cikin ruwa to a lokacin nan kuma sai a nemo dawa yar gona da ita ne ake yin shi aka sirhe ta aka wanke ta sai a dake ta da hannu an dake ta a yi kankanan tsaki wannan da ake cima lissa kuma a yi gari kuma in an aje su sai can asuba ta yi lokacin nan sai a zo a tsiyaye wannan ruwan da aka tsamama addua an an tace shi kuma sai a dora tukunya kuma lokacin da ai ta tsamama ta yi zaki to lokacin nan ne kuma za a ɗauko ta an hura wuta aka ɗora tukunya kuma sai a zuba ruwan gaba ɗaya in suka tawasa suka tawasa nan suka ɗan kwaikwaye sosai kuma lokacin sa a ɗauko yan lissan nan ta dawa ita ma sai ta da huta da huta da hutalgin nan yayi kabri kuma sa'annan sa a tuka garin to kuma in yadda hun wannan sai ana huda mara mara kuma haka na ake cin shi ba a mishi miya ba a mishi komi ba a sa mai ba a sa komi kullum haka ne ake ci kuma in ka ci shi in dai aduwa mai zaki ce zaku zau za ku ji tuwon yi zaki ba san ci ba yanzu ne amfanin shi a cikin dan adam amfanin shi na ga muku nan ce muku yana kiwon lahiyar jiki yana ƙara abin ruwan jiki kuma yana maganin mura a lokacin na ai kun ga mura ba ta damun mutane to ko ita ɗaya aduwa aka sha ta ma tana maganin mura to da ake cewa aduwa tana kaɗa cikin mutum a ah, <laughs> mu dai na in dai kun ga aduwa ta kaɗa cikin mutum sai dai in cikin mutum akwai zahi a cikin shi akwai wata wani cututtuka a cikin shi ne amma yau da kullum yau da kullum in dai ana sha aduwa zama ba ana sha in saya ta waye in kana da aduwa ka ɗauki ɗa uku ka sha kamin ka ci wani abu ka ɗauki ɗa uku ka sha to in ka sha ɗa uku lokacin nan kuma in kari za ka yi sai ka karya shi ne dai wanda muka sani dai abin tuwon aduwa. Ah. Voilà, c'est tout pour la rubrique rosa de ce soir. Merci de l'avoir suivi. On se dit à bientôt pour d'autres bons plans et beaucoup plus d'astuces. tsaya nan ba ni da masoyiya ta ke ce jinin jikina na rasa ke to zan zauce jira fazira kowai nake bidaran ke ce dare da rana ba a zuga ne dan yan barki babu ruwana soye gurin zama ya zauna a zuciyana na ba ni san kiya dama na mu rike juna bari in shiga damuwa tun da suna da haɗari ki nake ambato kawai in na zauna wuri-wuri ni da ke mai yana kawar eh, ba ki sanya na garari na ga daga martaba da miya bai wuce ma gigi shiri kamai so akwai jarabta gare shi wannan lokaci ɗanɗanar so idan ta fara masu ce ma mahaukaci Voilà, amis c'était la rubrique Rosa du studio Kalangu. Nous allons continuer notre émission Tous à la Fada qui se déroule à Niamey sur le site d'ISAFEM. Et aujourd'hui, nous parlons des voies et moyens qui peuvent permettre aux jeunes femmes de réussir dans l'entrepreneuriat au Niger. Salam alaikum. Bonjour. comment allez-vous Ça va, je vais bien et vous Ça va. Au fait, on aimerait savoir, vous êtes du FONAP, n'est-ce pas Oui. Qu'est-ce que vous faites pour aider ces femmes à entreprendre vous euh, D'abord, le FONAP, c'est un instrument pour accompagner les petites et moyennes entreprises. Donc, le FONAP est là pour leur faciliter l'accès au financement. Vous n'êtes pas sans savoir que l'accès au, financement est très difficile ici au Niger pour, pour ces petites et moyennes entreprises. Donc, le FONAP est là pour y remédier en, les en leur facilitant l'accès au financement et en renforçant aussi leurs capacités. D'accord. Et on aimerait savoir aujourd'hui, vous avez un nombre de femmes que vous avez aidées ou bien un chiffre à peu près un chiffre exact, je ne saurais vous le donner, mais donc, euh, je disais, on met, on met beaucoup l'accent, l'accent sur l'entrepreneuriat féminin. D'accord. Et pour les gens qui ne savent pas, comment faire pour accéder à ce financement donc, euh, pour accéder au financement, il y a un certain nombre de critères d'éligibilité. Donc, euh, les PME déposent leur dossier ici au niveau du FONAP. Il y a un comité de sélection qui est mis en place pour pour sélectionner les PME qui sont éligibles au financement. Et c'est en, en, fonction de ça, du moins, que ces PME sont sélectionnées. D'accord, merci bien. Je vous en prie. Je vais passer le micro à la dame à côté. <laughs> Sûrement, vous avez de l'expérience de l'entrepreneuriat, c'est ça. Aujourd'hui, mm. vous pouvez partager avec nous certaines stratégies que vous utilisez pour réussir dans le travail que vous faites. Euh, moi, je dirais tout d'abord qu'il faut avoir de la persévérance. Il faut croire en soi-même. Je dirais à mes sœurs, même à nos mamans, il n'est jamais tard pour entreprendre quelque chose. Il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Mais il faut avoir de la passion pour ce qu'on veut faire. On n'entreprend pas parce que l'autre est en train d'entreprendre. On entreprend parce qu'on veut, parce qu'on aime ce qu'on fait on a la passion pour ce qu'on veut faire. Quand on a ça en soi, tout entrepreneuriat devient une, ça devient léger, ça devient facile. Parce qu'entreprendre, il faut qu'on se dise la vérité, c'est pas simple. Les débuts, comme ma sœur l'a dit, les débuts ne sont pas simples parce qu'on est confronté à, à une atmosphère qu'on ne connaît pas on vient, on se jette là-dedans pour celles qui sont dans le textile, celles qui sont dans les cosmétiques comme moi, celles qui sont dans l'agroalimentaire. Il y a pas mal de, de, de, de volets, mais c'est pas du tout simple les débuts. On va être confronté à pas mal de résistance, pas mal d'opposition, même souvent au niveau de la famille. Parce que malheureusement en Afrique, on pense que les femmes, euh, Dieu merci, ça commence à changer, Sinon, généralement, avant, on pensait que la femme devrait être à la maison pour s'occuper des enfants. Donc, vous n'êtes pas sans ignorer que même pour l'éducation des jeunes filles, c'est un peu compliqué. Dans certaines contrées, toujours, les filles ne peuvent pas aller à l'école pour des raisons culturelles, euh, malheureusement, qui ne nous arrangent pas. Mhm. Donc, moi, ce que j'ai donné comme conseil à mes sœurs, c'est de se battre pour ce en quoi elles croient. Lorsque tu as la conviction d'une passion, il faut te lancer là-dedans. Moi, hormis être euh, une entrepreneuse dans, le, dans les cosmétiques et les produits dérivés du beurre de karité, je suis une actrice dans mon pays. Mais il a fallu que je me batte pour être là où je suis en laissant les préjugés derrière. Donc même dans l'entrepreneuriat, quand on veut regarder les préjugés, on ne va jamais se lancer. Donc il faut être persévérant, il faut être résiliente, il faut être courageuse, croire en soi et avoir la passion pour ce qu'on veut faire. merci bien hajiya mun karrawa gare ku muna so mu sani ko ne irin kaya ne gare ku ni ina transformer cereal ne mhm. shatsi masara shinkafa da wasu apis hakan na galgajiya namu nan na galgajiya su ne nake transformer ina mai da ga wani prodifi ne hakan mm. kuma shigo ku tafi safem ta harin ce kuma kun saba ah, ba zauwa na ne na saba zauwa safam so da yawa na saba zauwa safam. to ya ne kayan naku a gani ana nan gase ko mutane suna nan gase to da dama dama da dama dama dai za mu cewa tunda nan academy kun ga yawanci duk basan muna wanga ko tekin ba kowa ya zo palais du vendef ne yake tahiya jiya zuwa yau dai ne aka san muna wanga ko tekin sa ba yawan zo alhamdulillah d'accord merci bien masu mu preno une musical. She wants a gangster in her bed tonight. She a wants me, me I know. And man, a, a full ground me a day tonight. She a calling my phone. Oh, she say why me so unruly. Tell me the main reason you want woo me. Woo me. Hmm, the man with a ED Curious girl, she got questions for Siri We got that booty and wife me So crazy, you driving me Girl, you put it on me nicely. She riding it, I'm sliding it. Spread your two legs slightly. Oh, mama, spread them so widely. Caribbean guy won't die for me. She have to die for me, yeah, yeah. Bounce your body, oh, we bounce you out. Girl, you go down, not to south. Say you agree, I know fish out. Yeah, bounce your body, oh, we bounce you out. I'm on no screen, no shout. Yeah, no loud them, no loud them. Cook that boy, me not fear nothing. Me, I'm like money and they smell like mint. In a come for you every day flaunting. Yoruba demon money, they knock anything. Burning the midnight with a Riesler. And I cock me rifle just to ease a Gina. Better quickly stop the teaser. Give what belongs to Caesar, to Caesar. Wiggle that booty and wine for me. So crazy you driving me. Girl, you put it on me nicely. She riding it, I'm sliding it. Spread your two legs slightly. Oh, mama, spread them so widely. Arabian guy won't die for me. She have to die for me, yeah, yeah. Bounce your body, oh, we bounce you out. Girl, you go down, not to south. Sure you agree, I know fish out. Yeah, bounce your body, oh, we bounce you out. I'm on no screen, no. huta qui se passe actuellement au palais du 29 juillet. Et pour thème ce soir, nous avons les jeunes femmes face à l'entrepreneuriat, comment elles sont sorties Dernière partie de notre émission Tous à la Fada. Aujourd'hui, on aimerait savoir quelle est votre vision de l'avenir des produits locaux sur les marchés pour les femmes entrepreneurs. Ah oui, merci pour cette question parce que déjà les produits locaux, il faudrait que nous, nous commencions à les consommer ici. Là, par exemple, chez nous au Burkina, moi je suis dans le domaine, je suis de la table filière carité, je suis dans le domaine du beurre de carité. Le gouvernement a pris euh, un décret qui interdit toute toute exportation des amendes de carité, ce qui nous permet d'avoir les amendes de carité pour nous-mêmes. Donc, il faudrait que nous-mêmes, population, nous commencions à consommer ce que nous avons ici. Nous avons des produits cosmétiques faits à base de beurre de karité qui sont très efficaces. Vous savez, lorsque tu pars en Europe, tu pars aux États-Unis, tu achètes un produit où on met euh, au beurre de karité. Quand vous regardez le pourcentage du beurre de karité, c'est vraiment infime par rapport aux quantités que nous nous mettons dans nos produits. Mais malheureusement, l'Africain n'a pas compris. On préfère acheter ce qui est importé et qui est très cher, qui n'a très souvent pas même les mêmes valeurs, les mêmes vertus que ce que nous avons de vraiment local il faudrait que d'abord, nous Burkinabés, nous Nigériens, Béninois, Togolais, nous Africains, nous commencions à consommer nos produits locaux pour que ces produits soient valorisés. Aujourd'hui, quand on vend un savon à base de beurre de karité, tu dis que la boule de savon de 200 grammes fait 1000 francs, on trouve que c'est cher. Mais on préfère aller acheter un petit savon qui vient de, bon, je ne donnerai pas de marque, à 4000 francs, à 5000 francs, à 6000 francs. Parce que tout simplement, il y a une identité euh, continentale derrière. On préfère cela. Comment est-ce qu'on peut valoriser nos produits si nous-mêmes, nous ne les consommons pas C'est un peu dommage. Dans le textile, c'est la même chose. On préfère acheter une robe prête à porter à 200 000 francs que d'acheter une robe faite avec du batik, avec du borolan, avec des pains tissés, avec du cocodonda à, à 50 000. On trouve que c'est cher. Ben, dites-moi, Comment est-ce qu'on peut développer l'Afrique avec cette mentalité de, complexe d'infériorité Parce que nous, nous, minimisons ce que nous-mêmes nous produisons. C'est difficile. Donc vraiment, je, nous encourage à consommer ce que nous produisons. Là, je suis assise en face d'un bidon de, jus de concombre du Niger, je suppose, fait ici au Niger, à Niamey je ne l'ai pas encore goûté, mais déjà au regard, j'ai envie de boire parce que je sens que j'aurai une fraîcheur derrière lorsque je vais boire. Mais combien d'Africains, combien de Nigériens boivent ce jus Il faudrait que nous fassions un travail psychologique sur nous-mêmes pour que l'entrepreneuriat avec hein, l'entrepreneuriat au large soit développé et encore plus pour l'entrepreneuriat féminin. Il faut valoriser nous-mêmes ce que nous avons, à commencer par nous les femmes. Nous devons porter ce que nous promouvons, nous devons consommer ce que nous avons ici chez nous. Les matières premières doivent venir de chez nous d'abord. Certes, il y a certains produits où on a besoin des matières premières qui viennent de l'extérieur. Nous ne sommes pas non plus fermés à toute évolution, mais il faut qu'on commence par ce que nous avons chez nous. Merci. Merci beaucoup. Qui pas Micro Oui. Aujourd'hui, on aimerait savoir euh, quelle est votre vision de l'avenir des produits locaux sur les marchés pour les femmes entrepreneurs Oui, très belle question, très pertinente. Mhm. Parce que les produits locaux ont de l'avenir. Je crois fermement euh, à l'avenir des produits locaux parce que nos femmes ont du talent. Nos produits sont des produits de qualité. Comme l'a si bien dit euh, la Tata, mais vous imaginez qu'on amène des produits locaux transformés dans les grandes surfaces, je n'attaque personne, on nous demande tout le temps si vos produits sont certifiés, est-ce que vos produits sont tracés, est-ce que, est-ce que, enfin, les produits qui viennent d'ailleurs ne sont vraiment pas euh, plus euh, de qualité comme elle a dit que les nôtres. Nous, on croit en nos produits, donc euh, là, je m'adresse directement à nos consommateurs. Vraiment, des boutiques sont là. Il y a des produits de qualité qui sont transformés par des femmes qui ont du talent, qui qui s'appliquent au quotidien, n'est-ce pas, pour mettre en, va euh, en, valeur et en avant tous nos produits naturels que nous avons. Donc vraiment, les consommateurs doivent euh, accompagner les initiatives là et supporter toutes ces femmes qui se battent au quotidien. Vous imaginez euh, pour le lait. Prenons juste le cas du lait. Selon vous, combien de quantités de lait en poudre on amène d'ailleurs Alors que nous, on produit du lait local. Le lait de vache, tout simplement. Un lait de qualité, un lait pur, sain, nutritif, ou il y a tout le temps des préjugés. Je propose euh, du fromage, la personne me dit non, peut-être ça va me faire un truc après. Mais quand tu consommes l'autre lait que tu as acheté dans un supermarché, tu ne te dis pas que tu auras une réaction. Donc je pense que vraiment, on doit euh, arrêter. On doit plus se trouver d'excuses. On doit consommer local. On a une stratégie euh, nationale qui est en place, la stratégie de souveraineté alimentaire au quotidien, on se bat pour euh, assurer cette souveraineté. Donc là, vraiment, il faut que les consommateurs sachent que nous, on est là, on existe. Des femmes de talent sont là, des produits de qualité sont là. Vraiment, venez acheter en quantité. Voilà. Merci, bien pour la réponse. Rachel, la chef de la vente des habits, c'est ça, non oui. Voilà, on aimerait savoir quelle est votre vision de l'avenir des produits locaux sur les marchés pour les femmes entrepreneurs Eh bien, déjà, moi, ma vision, en fait, à long terme, c'est de pouvoir euh, internationaliser ma marque, euh, histoire d'avoir euh, des annexes de ma marque un peu partout dans le pays euh, de l'Afrique de l'Ouest et au-delà du continent, bien sûr. aussi, mon souhait, en fait, j'aimerais bien voir beaucoup de peuples africains consommer local contrairement à ce que euh, nous avons euh, là. On a tendance à dire c'est cher, on ne peut pas acheter. Oui, en fait, le problème, c'est qu'on attend. En fait, je, je, pense que le problème, il est psychologique, en fait, parce qu'on a tendance à comparer l'artisanat et l'industriel. Le, les produits que nous avons l'habitude de porter, que ce soit vestimentaire, alimentaire, euh, cosmétique, c'est des trucs importés, d'accord Et qui sont produits industriellement. Mais par contre, nous, vous voyez l'artisan qui n'a peut-être pas de subvention en tant que tel et qui se débrouille peut-être avec son mini-fonds de, commerce, il se débrouille, il fait d'abord, il, se, mise carrément sur la qualité. Même si on ne parle pas trop de l'emballage, mais d'abord le contenant, il est là. On ne peut pas dire le contraire. Mais cet artisan ne peut pas, après tout euh, le, temps qu'il a passé à, à réfléchir à quelle innovation apporter à son produit, quelle créativité, quel design apporter. Et à la fin, on a le même produit, si je prends le cas de nos pagnes. Avant, c'était des imprimés typiquement africains. Faits en, soit en bogolan, en batik euh, et, bien d'autres tissus d'ailleurs. Mais aujourd'hui, vous l'avez, le chinois qui l'a tellement bien fait avec des couleurs et motifs très jolis. Mais à combien? À 2500. Et maintenant, c'est normal en fait que le local, le, citoyen lambda vienne et quand l'artisan lui dit, moi, ma production, je le fais à 25 000 francs, c'est parce qu'il a pris des nuits à réfléchir en fait. Mais le Chinois, lui, il est là dans nos foires, il, filme tranquillement, il repart, il récopie, il ne fait pas d'effort. Excusez-moi, il ne fait pas d'effort. Et vous ne pouvez jamais vouloir comparer l'artisanat et l'industriel. Et donc, c'est normal quand les gens disent que c'est cher. C'est selon eux. Mais en soi, je trouve que l'artisanat, on ne peut pas donner une estimation de prix. L'art n'a pas de prix. Et donc, soit vous le payez avec amour pour soutenir en fait le confrère ou votre frère qu'il est et aussi promouvoir en fait euh, ce qu'il fait. Parce qu'en soi, je trouve euh, que tout ce que nous faisons dans le domaine de l'artisanat, c'est en quelque sorte une façon de garder l'héritage, je le dis toujours, le savoir-faire de nos grands-parents. Et si on arrive euh, à l'ignorer ou l'abandonner, je me dis dans 10 ans, les enfants qu'on aura, probablement la deuxième génération qui nous suivra, n'aura pas en fait à connaître ce qui se faisait il y a de cela 10 ans, 20 ans. Et donc c'est tout à fait euh, très capital pour euh, qui que ce soit de, pour, de pouvoir un temps soit peu supporter le coût et encourager l'entrepreneuriat. Donc ils n'ont qu'à souffrir du coût, mais de promouvoir quand même ce que nous faisons. <laughs> Merci beaucoup. Un dernier conseil. Agia. mun dawo gare ku muna so mu san wani irin shawarwari ne za ku ba matasa da suke so cin kasuwanci ba matasa shi su zo su kama aikin hannu su zo su kama aikin hannu matasa na nan zamna suna ta kince ma emission kinki fada yanzu ma an rage zaman fada in kin lura ko lejen yanzu sun yi motivan kansu su zo su kama sana'a su zo su bar jiran gwamnati kaɗai ya neman musu aiki gwamnati bai iya ɗoka kowa aiki kai ne za ka ƙirƙiro ma kanka aiki kai ma haka ɗoki wani kai ma kana riƙa baya ci da sha kana mai salar bayan ka shi ma ya samu wani abu shi ma har ya zama wata ran babban na kanshi to kiran da muke ma jan kenan masuda yan dar nemo eh, don shawaran da gare ni zuwa ga yan uwana matasa shine ya kamata a ce lokaci yayi da ya kamata mu farka da yanzu ba lokacin zama bane ba kowa neman kanshi nake mace ko namiji ya kamata a ce kowa ya tashi na neman na kanshi ba mun tsaya mu yi ba zai mu sai mun jirayi gwamnati ya ba mu aiki ba akwai fusa'u da dama wanda Allah ya yi mu da a dan adam yana da a da dama wanda yana iya exploitan su ga domain nan daban-daban don kenan ina kiran ga matasa ya kamata mu farka mu je ga sana'ar hannu la tata de l'émission. Merci. Euh, tout d'abord, c'est pour vous dire merci. Merci au studio Kalangu du Niger de nous avoir donné cette plateforme, de pouvoir nous exprimer en tant que femmes entrepreneurs. Ça montre à quel point vous nous soutenez, vous nous encouragez. Et aussi dire merci au peuple nigérien de l'AES pour l'accueil que nous, Burkinabés, nous avons bénéficié. Et encourager nos frères et nos sœurs du Niger à venir euh, à la foire c'est aussi au Palais du 29 comme à l'Académie des Arts. Et aussi dire euh, à nos sœurs de ne pas avoir peur d'entreprendre. L'entrepreneuriat n'est pas une magie, c'est pas de la sorcellerie, c'est juste de la détermination. Et ne pas minimiser les faibles commencements. On peut entreprendre même avec 5000 francs. Même avec 2000 francs, un kilo de farine, un peu d'huile, un peu de sel, un peu d'œuf, on commence à entreprendre en faisant des gâteaux. Moi, j'aime beaucoup la pâtisserie, je fais les gâteaux, donc je sais qu'avec ça, on peut le faire. Donc, je nous encourage en, en tant que femme à développer quelque chose, même si ton mari est, est ministre, je m'excuse. La femme doit pouvoir être indépendante, épanouie dans quelque chose qu'elle fait, qu'elle aime. Donc, engagez-vous et ensemble, nous allons faire développer l'Afrique, nous allons faire développer le monde et nous allons impacter le monde avec nos produits locaux. Comme ma sœur du Taureau l'a dit, nous allons impacter le monde avec nos produits locaux parce que c'est chez nous que la plupart viennent chercher la matière première. Donc nous l'avons, nous avons la matière première. Saisissons cette grâce que Dieu nous a faite d'impacter le monde avec ce que nous avons. Produisons, mais faisons du bon travail. Il faut entreprendre. Mais il faut faire de l'entrepreneuriat de qualité. Il ne faut pas se lever faire un savon parce que les autres font, faire une tenue parce que les autres font. Il faut sortir de l'ordinaire pour que nos produits puissent impacter le marché international. Merci, à vous. Bien. <laughs> Oui. Euh, ce que j'ai à dire, c'est adresser aux consommateurs nous autres Donc euh, vraiment consommons local et soutenons nos entrepreneurs. J'aimerais aussi, si vous me le permettez, partager une petite expérience que j'ai vécue récemment. Moi, personnellement, j'ai un enfant, un nourrisson. Et du coup, à chaque fois, je lui donnais que des produits importés, les céréales et autres que vous connaissez. Mais récemment, je suis venue à sa femme, j'ai croisé des entrepreneurs, des femmes entrepreneurs qui, qui sont dans la fabrication des produits locaux, des céréales infantiles d'abord que moi, je connaissais pas. Mais je vous assure, j'ai eu un réel coup de cœur pour ces femmes. Et quand j'ai j'ai utilisé ces produits, mais je, vraiment, je leur tire mon chapeau parce que moi, avant, je ne savais pas l'existence même de ces produits, de ces céréales infantiles faites par nos femmes entrepreneurs du Niger. Donc, euh, je leur passe vraiment mon, je leur tire mon chapeau. Encore, c'est moins cher. C'est à peu près le même prix que les céréales que nous achetons, qu'on importe d'ailleurs. Vraiment, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci bien. Avant de clôturer, nous allons passer à la chronique du jour. Amis jeunes, bonsoir et bienvenue dans la chronique d'aujourd'hui. Le 15 décembre, c'est la journée mondiale des otaku. Donc demain, avant de plonger dedans dans cette chronique, faisons un zoom sur l'un des nombreux visages de la culture japonaise, Evin Lemeshek. Il est le promoteur de Kakaosker qui est né de la passion dévorante de ce jeune français pour la culture japonaise. Lors d'un voyage dans le pays de ses rêves, ce jeune homme cacao de son vrai nom Evin Lemeshek, a eu l'occasion de goûter à de nombreuses spécialités culinaires. Grand épicurien, il ne s'est refusé à aucune découverte. Bar chocolatier à la clémentine, au saké, aux fleurs de sakura, au wasabi, un panel de goûts que jamais il n'aurait imaginé dans sa France natale jusque-là, du moins. De retour en France, il a éprouvé une lassitude dans la dégustation de son bol de cacao matinal. Il s'était tellement habitué à des goûts plus prononcés et plus assumés. Il voulait de l'originalité, de la jeunesse et du peps. Adieu le cacao traditionnel, bienvenue à la poudre de cocoa. Lions cela à l'histoire de la pâte à tartiner d'hier à aujourd'hui. La pâte à tartiner telle que nous la connaissons aujourd'hui a évolué au fil des siècles pour devenir un incontournable du petit déjeuner dans de nombreuses maisons. Allons aux origines, chers amis de la fada. L'histoire de la pâte à tartiner remonte au début du 19e siècle en Italie. Le chocolat était réservé aux élites, mais des inventeurs comme Pietro Ferrero ont découvert ont commencé à l'incorporer à d'autres ingrédients pour rendre cette gourmandise plus accessible. Le père de la célèbre pâte à tartiner Nutella, Ferrero a créé dans les années 1940 une pâte à base de noisettes et de cacao, permettant de réduire les coûts de la production en utilisant des ingrédients locaux moins coûteux. De nos jours, avec la prise de conscience des consommateurs concernant la nutrition et l'environnement, la pâte à tartiner a évolué vers des versions plus saines et éthiques. En Europe, par exemple, la pâte à tartiner El qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, a été interdite à la vente car ne répondant pas aux normes nutritionnelles. Nos pâtes à tartiner en poudre en sont un parfait exemple, en offrant une alternative moins sucrée, sans huile ajoutée et plus respectueuse de la planète en Afrique de l'Ouest, la production et la transformation artisanale se fait au Togo et en Côte d'Ivoire. Les amis, on se dit à demain pour en savoir plus sur les otaku. Bye bye. Merci bien pour la chronique du jour. Anna Mukazo, qui se déroule actuellement à l'Académie des Arts et au Palais du 29 juillet. Nous étions en compagnie de... Ici, c'est Rachel Djargi Toda, Je suis togolaise. depuis Agadez. Moi, c'est Alice Abo Zainabou. Madame Ibrahim Azima du groupe Inès. Moi, je suis Konaté Latifat. Yolande Lalou de Carifaso, Burkina Faso. Merci bien d'avoir participé à notre émission Tous à la Fada. tare da su mun tattauna a kan yadda matasan garinmu za su iya yin kasuwanci kuma yadda za su tashi su kama aiki tun da yau kowa sani zaman gida ba zama ba ne kuma mun san da mu duka gwamnati duka ba ta ɗaukar mu aiki sai kowa ya tashi tabbas mun gode sosai da hira da kuka mana